Il n'y a pas trop d'entrées, pas trop de visites. C'est à peine qu'on a un, deux clients par jour. Même s'ils viennent, c'est pour visiter et ressortir. Parfois, on ne vend même pas 1000 francs par jour les Nigériens, euh, c'est pas tous qui s'intéressent à nos produits. Donc s'il y a des conférences, les Nigériens viennent acheter les produits pour faire des cadeaux aux étrangers. Avec le Covid-19, vraiment, c'est ralenti. Comme il n'y a pas de sortie, notre clientèle est essentiellement composée des étrangers et ces étrangers ne viennent plus. Auparavant, certains de nos artisans participent aux foires à l'extérieur, mais maintenant ce n'est plus possible car les frontières sont fermées. Depuis l'apparition du Covid-19, nos produits ne sont pas sortis à l'extérieur. Voyez-vous, ils sont là, étalés. Que peut-on faire sinon que de se patienter la pandémie du Covid-19 nous a beaucoup touchés vraiment, en dépit de l'appui dont nous avons bénéficié de la part de l'État. Tu peux passer toute une journée sans qu'un seul client ne te rende visite. Nous ne savons pas quoi faire et puis il y a un climat de méfiance entre nous et les clients à cause de cette maladie. Aujourd'hui, avec euh, le phénomène de la Covid, on n'arrive plus à sortir pour écouler nos produits. Donc ça impacte gravement notre activité. On a fabriqué pas mal de bijoux, mais on ne peut pas les écouler. C'est le travail qu'on connaît, c'est ça. On ne peut pas faire d'autres métiers. On est vraiment dans des difficultés pour pouvoir vraiment écouler nos produits.